Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 47 radios partenaires à travers le Niger. Azender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Shukura sur le 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème du forum s'articule autour de crise d'hystérie des adolescentes en milieu scolaire, explication et perception des populations. Au Niger, les lycées et les collèges enregistrent à certaines périodes de l'année une série de crises de possession féminine qui touchent en grande partie les jeunes filles. Elles entrent en transe les unes après les autres ou des séquences de crises collectives. En effet, ces troubles, beaucoup de personnes lui donnent une connotation mystique et la qualifient donc d'attaque de génie, communément appelée génie Alors, au cours du présent forum, nous allons évoquer les origines du phénomène, la prise en charge, les conséquences sur le temps scolaire et les perspectives. Pour débattre de ce thème, nos invités sont M. Seydou Hassan, proviseur du complexe d'enseignement secondaire Karkada de Zender. Nous avons aussi M. Ouseni Abdelmajidou, doctorant en sociologie de la santé à l'Université Ouaga Burkina Faso. Et enfin, nous avons Dr Sani Abdelmajid, il est un religieux, il est musulman. Nous avons également invité un religieux chrétien. Malheureusement, il n'a pas pu assister au débat. Il aurait dû nous édifier, mais ce n'est que partie remise. Je suis Mustapha Mamansani, correspondant du studio Kalangou pour l'animation de cette émission. Euh, nous commençons par vous, Monsieur Al-Majid. Comment expliqueriez-vous, du point de vue scientifique, ce que nous appelons communément génie Il faut peut-être, en tout cas, à ce niveau, souligner que euh, c'est un phénomène donc, qui a débuté depuis les années 2004 et ça a concerné les régions de l'ouest de notre pays, notamment donc la région de Niamey, la région de Tilaberi, donc qui étaient des régions euh, réputées, n'est-ce pas, euh, dans le culte de possession ancestrale euh, que nous connaissons très bien. Donc ce phénomène, en tout cas, donc, a évolué et dans les années 2005-2006 jusqu'en 2010, donc, il a évolué dans les régions de Maradi, et en 2010, à partir de 2010, donc, le phénomène a connu une très grande ampleur euh, au niveau de la région de Zander, où il a affecté le CEG5 de Zander, le CS Zangou, ce qui a même motivé, donc, à l'époque, en tout cas en 2010, donc, une étude pluridisciplinaire qui a été commanditée par les autorités de la transition de l'époque. Euh, je pense que, euh, comme vous le dites, donc, ce problème, scientifiquement, donc, on peut le classer dans la nosologie des névroses. Parce que donc, vous savez, donc, du point de vue psychiatrique, donc, on peut classer donc, les problèmes de santé mentale en deux catégories. Il y a les névroses et les psychoses. Donc, les névroses sont des problèmes de santé mentale qui n'altèrent pas totalement la personnalité de l'individu et dont le sujet en est pleinement conscient. Donc, il est conscient des symptômes, il est conscient des manifestations, et parmi lesquelles donc, on peut, euh, entre autres, donc, citer euh, la névrose obsessionnelle, la névrose phobique et la névrose hystérique. Donc, scientifiquement, donc, ce problème, effectivement, est appelé névrose hystérique. Et il peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Mais, en règle générale, en tout cas, ce que nous constatons aujourd'hui, donc, l'hystérie féminine, n'est-ce pas, donc, en tout cas, a une très grande ampleur, à raison de l'émotivité, n'est-ce pas, donc, euh, de la femme. Donc, c'est un phénomène qui tire ses origines, n'est-ce pas, depuis le développement de l'enfant. Et c'est lié à des conflits, à des traumatismes euh, vécus donc depuis l'enfance, donc ils sont refoulés dans l'inconscient, mais plus tard, en tout cas, en fonction des circonstances de la vie, que ce soit donc en milieu scolaire ou en milieu, milieu familial, donc euh, certaines situations, donc en tout cas des facteurs euh, prédisposants, n'est-ce pas, et des facteurs enclenchants, donc entrent en scène et ça crée, n'est-ce pas, ces troubles ces explosions que nous connaissons en tout cas donc au niveau des écoles. Docteur Sani Abdelmajid, vous êtes religieux, musulman. Comment ça se manifeste et quelle est son origine Religieusement parlant, eh, les génies ont euh, un pouvoir sur euh, l'être humain. L'être humain aussi a un pouvoir sur les génies. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns à partir du feu elle a créé l'être humain à partir de l'argile, mais dans chaque euh, cas, Allah a donné une prédisposition donc naturelle pour les, génies et les humains. Donc parmi ces pouvoirs qu'Allah subhanahu wa a donné aux génies, c'est cette possession. les génies a cette possibilité de posséder les euh, êtres euh, l'être humain. Donc Comment cela eh, se manifeste Ou bien commençons d'abord par dire souvent les causes de cela. D'abord, il y a eh, ce qu'on appelle l'ensorcellement. Ça, ça existe, ce qu'on appelle eh, as Il y a eh, ce qu'on appelle l'envie, avoir euh, envié donc quelqu'un il y a aussi euh, ce qu'on peut dire, l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut causer cela, surtout la négligence euh, de la prière, aussi euh, les, péchés, surtout la fornication, l'alcool et surtout l'indécence vestimentaire. C'est pourquoi ça concerne beaucoup plus les jeunes filles. Il y a souvent, c'est la personne lui-même qui cherche à s'associer au génie pour un gain d'ici-bas pour euh, un but, chercher lui-même auprès euh, des charlatans, auprès des gens qui, euh, qui, qui traitent avec les génies, chercher à s'associer à, ces génies. Il y a souvent le fait d'être trop, de, regarder avec excès les films obscènes, impudiques, qui peut causer aussi cette, la fréquentation donc euh, abuser donc des lieux de, de jeu, etc., etc., des danses, etc. il y a souvent l'amour, une femme obsédée, ou bien un homme, un génie obsédé, ou bien une génie obsédée. Il y a souvent la personne va avoir un rêve qu'elle est en train de faire, d'avoir une relation conjugale avec une, autre personne, alors que c'est un génie. C'est pourquoi souvent vous allez voir des, des, des, fausses euh, euh, grossesses. Donc chez, certaines femmes, à partir de l'hôpital, on regarde, on dit il n'y a rien. Il y a souvent, comme il l'a dit, une forte émotion. C'est pourquoi ça concerne encore surtout les jeunes filles. Une, une, colère sans mesure. Vous pensez que c'est un génie qui domine, qui possède la personne Oui, ça, ce sont des signes, quoi ce sont des signes qui montrent que la personne est possédée. c'est à travers l'expérimentation que les gens ont compris. Et souvent, c'est les hadiths du prophète qui ont expliqué cela. Comme il n'y a pas assez de temps, je ne peux pas souvent donner les Mais souvent, ce sont les expériences, les expérimentations des uns et des autres qui ont montré donc ces genre de, signes. Alors, comment expliquer que cela ne concerne que les filles à partir d'un certain âge Parmi les causes, j'ai parlé de la colère, la peur. Mhm l'émotion, une, émotion, une forte émotion, il y a la tenue, donc l'indécence dans leur, leur, comportement vestimentaire. Et ça, là, ça concerne surtout eh, les filles. Donc, les génies toujours profitent de la faiblesse donc euh, de l'homme, parce qu'il y a aussi la peur de l'homme, il faut le dire avec mm. les il, profite toujours de cette fille. Et la fille est plus, beaucoup plus concernée par mm. cette situation-là. Monsieur le proviseur, quelle est son ampleur dans les écoles aujourd'hui, le phénomène de génitateur C'est un phénomène que nous avons découvert, ou bien que la société a le plus découvert à travers les établissements scolaires. Mm-hmm. Sinon, dans les familles ou dans les rencontres euh, de cérémonies, traditionnel, c'est rare de voir que cela se manifeste. Et non aussi dans les écoles coraniques. Donc vraiment, c'est un phénomène qui nous met dans un dilemme. Parfois, nous cherchons l'explication du point de vue scientifique. Et parfois, de l'autre côté, on cherche l'explication du point de vue beaucoup plus religieux. Mais comme vous l'avez dit dans votre présentation, il a un très grand impact sur les temps scolaires Parce que aujourd'hui, il a un effet de contamination. C'est ce qu'il faut souligner. S'il y a une seule fille qui tombe dans une classe ou dans la cour, le cri fait réveiller les autres. Et c'est ce qui fait que elle tombe automatiquement. Et ça contamine toutes les classes, ça contamine toutes les filles. Et ça réveille celles qui en ont déjà. Et ça contamine d'autres qui n'ont jamais fait ça. Et c'est ce qui fait que le plus souvent, quand il y a un seul cas de génie tchatcher, cette journée-là risque d'être perturbée complètement. Et parfois, on est obligé de faire entrer les élèves à la maison pour pouvoir un peu gérer les, Alors, peut-on dire, selon votre analyse, que c'est le lieu qui est mis en cause En tout cas, ça, c'est ce que euh, certains pensaient. L'école est mal vue par certains dans la société qui pensaient que l'école, c'est un lieu où on vient faire du cirque cette hypothèse-là, elle, est réfutée. Parce que quand vous prenez, même dans les, dans les écoles médérissa ou dans les écoles franco-arabes, il se manifeste. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais nous, tout ce que nous savons, il a un impact très, très, très négatif sur le temps scolaire. Et il y a certains parents qui, quand le phénomène insiste dans un établissement, il y a des parents qui font des transferts pour leurs enfants. Et deux fois, l'établissement investit beaucoup. Par exemple, on invite les, les, marabouts pour venir faire des décantations, pour venir faire des lectures du Coran. Parfois, comme vous, avez vu ce qu'Abdullah a dit, à l'ouest, on amène même des charlatans pour faire leurs trucs. Mais ça n'a jamais empêché à ce que les génies chercheurs se manifestent. Une chose est sûre, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de l'empêcher de se manifester. Et cela est devenu une gangrène, un très grand problème socio-économique. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a des maravous qui tirent beaucoup profit. Et dont certains pensaient même qu'il y a une saison où des maravous qui veulent gagner viennent lâcher les génies tchatchers dans certains des établissements. Maintenant, après, on, revient chez eux. Une chose est sûre, ils perturbent véritablement calmie, le temps scolaire, la stabilité. Et même notre organisation, vous n'êtes pas sans le savoir qu'à cause de ce génie tchatcher-là, il y a des parents qui viennent nous dire de ne pas mettre leurs filles sur la même table avec des garçons. Alors que cette discrimination-là, elle est interdite normalement. Mais nous sommes obligés aujourd'hui, dans nos établissements, d'avoir des rangées, spécialement des filles et des rangées spécialement des garçons. Une chose est sûre, nous savons que ça attaque rarement les grandes classes. C'est entre 6e, 5e, 4e, rarement 3e. Et très rare, vous allez voir euh, que ça attaque les, lycéens. lycéennes. Hein. Et il n'y a pas de cas d'attaque ou de manifestation générale sur un garçon. Peut-être que la manifestation n'est pas la même avec les filles. On verra ça avec peut-être le spécialiste. On va y revenir. Je reviens vers vous, le religieux, docteur euh, Sani majid Pourquoi il n'y avait pas cette crise de par le passé Le spécialiste a dit que c'était en 2004 que le phénomène a commencé à se manifester au Niger. Bon, euh, en réalité, si peut-être euh, au Niger, on a commencé à parler des génies tchatchers en 2004, c'est peut-être euh, la, la, manifestation au niveau des établissements scolaires qui a engendré cela. Mais ce phénomène-là a existé depuis la nuit des temps. Peut-être la forme, la forme génie tchatcher, on peut dire euh, en 2004. Parce que comment cela s'explique et il faut dire que nous, religieusement parlant, Allah nous a montré que il a créé chaque être humain. Donc, à, la, à sa création, à sa venue au monde, donc il vient avec un karine. Karine, quand on dit quelqu'un qui t'accompagne. Mm. Et, celui-là est parmi les génies. Donc, à chacun a son génie. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son génie, a, a, été converti. Souvent, les génies peuvent euh, si je vais entrer, comme le mot euh, entre griffes, entrer dans l'être humain euh, à un, moment de la nuit ou bien de la journée, il est quitté encore. Donc c'est pourquoi souvent on voit ça à, l'école. Et si on dit euh, les génies etc. à l'école, on ne les voit pas à la Macranta, comme l'a dit le, proviseur, je pense que ça, là, ça, ça, peut s'expliquer. Parce qu'il faut être sûr que tant qu'on lit le Coran, partout où on lit le Coran, un génie ne peut pas perdurer, ne peut pas durer dans l'endroit. Donc, il peut intervenir, il peut entrer dans, le corps de l'être humain et sortir euh, quelques minutes. Pour revenir encore un autre jour, un mois après, une semaine, même une année. Et il peut ne pas revenir. Souvent, les génies euh, donc, possèdent l'être humain à travers son corps il prend donc une partie donc du corps. Il peut se manifester à la maison et non, non, à l'école. Et à l'école, souvent, il faut se dire que souvent c'est des, mensonges, c'est, des faux vraiment agissements. C'est, faux. Si par exemple la, fille sent euh, stressée ou avec suite à une épreuve devant une épreuve, donc elle peut pousser des cris et cela peut engendrer, peut susciter, si elle s'il y a un génie avec elle, peut le susciter maintenant. Il peut aussi posséder l'être humain, ce qu'on appelle la possession extérieure. Il se présente en toi sous forme d'un être humain. Toi, c'est toi celle qui le voit Abdelmajid, il y a deux questions pour vous. La première question, pourquoi euh, ce phénomène ne se manifeste pas chez les garçons Et la deuxième question, quelle est l'évolution de la sémantique euh, Est-ce euh, le même partout au Niger On parle de génie tchatcheur. Donc j'aimerais donc d'avoir en tout cas donc lever l'équivoque euh, donc à susciter donc une autre question que vous avez posée. Au fait, je euh, n'ai euh, j'ai pas dit que il n'existait pas de génie, la possession par le génie au Niger, donc bien avant 2004. Et, en tout cas, vous pouvez vérifier à travers mes recherches. Donc tout récemment, donc en tout cas, donc j'ai publié un article aux éditions EFOI. J'ai parlé des trois formes de possession que nous connaissons en tout cas dans l'espace, n'est-ce pas, euh, traditionnel nigérien, anti-islamique, et même après donc l'arrivée de l'islam. Et nous avons en tout cas trois formes de possession. Euh, il y a donc la possession pathologique, la possession thérapeutique et la possession élective. Mais, le cas se mais, les trois cas se rejoignent. Vous allez voir donc en tout cas par exemple euh, donc des femmes possédées, donc les mbori comme on les appelle en tout cas ici, donc c'est-à-dire qui ont une possession héritée et qui servent de médium donc entre les jeunes et les humains. Donc, pardon, en tout cas, qui font des communications donc, entre les gènes et les humains. Et souvent, donc, en tout cas, ils expriment aux humains les volontés de certaines gènes Donc là, c'est dans les régions, en tout cas, où cette euh, filière de la position donc, est considérée comme étant, en tout cas, une religion. Bon, maintenant, cette question, en tout cas, comme vous l'avez dit, hein, elle ne fait que susciter plusieurs interprétations. Et moi, donc, j'ai évoqué donc, les deux approches fondamentales que nous avons, donc, à savoir l'approche psychiatrique, que je viens d'expliquer tout à l'heure, et l'approche théo-psychiatrique, Et en tout cas, Oustaz, euh, en tout cas, vient de le dire. Donc, en tout cas, par rapport à la possession au Niger, donc l'explication ne peut que être tirée de la religion, donc la religion musulmane, comme il l'a dit effectivement. Et effectivement, dans ce cadre, donc moi, donc j'ai euh, jumelé les deux approches. Donc l'approche euh, psychiatrique qui donne des explications rationnelles et l'approche en tout cas théopsychiatrique qui donnent donc des applications donc irrationnelles. Et dans les, deux cas, vous allez voir quelque part, il y a des points communs par rapport donc à la question. Et effectivement, vous allez voir donc qu'il y a des points relevant de l'ontosystème, c'est-à-dire donc de l'individu lui-même. Donc, c'est-à-dire son expérience personnelle, n'est-ce pas Il y a euh, les prédispositions naturelles. Donc, en tout cas, par rapport à la possession, parce que, en tout cas, euh, au niveau des écoles que j'ai étudiées, vous allez voir donc qu'il y a des filles qui ont un génie héritier, qu'on appelle Negida. Et tout à l'heure, en tout cas, donc, monsieur le proviseur, en tout cas, a eu à le dire, il suffit qu'il y ait un seul cas de possession par le génie tchatcheur et vous allez voir qu'en tout cas, en quelques minutes, toute une classe, en tout cas, sera, n'est-ce pas, donc, dans les trans collectives. Mais qu'est-ce qui amène ça Vous allez voir, en tout cas, dès qu'il y a donc une première victime, la victime primaire, et il y aura des victimes secondaires. Et souvent, vous allez voir que la plupart des victimes secondaires, c'est-à-dire ce sont donc des jeunes de famille. En tout cas, j'ai eu affaire à l'enquête au niveau de l'NSP. Et ces jeunes-là, souvent, ils jouent pratiquement le même rôle que les leucocytes au niveau du... Parce que vous savez, en tout cas, on peut établir un parallélisme de forme entre les gènes et les microbes. Parce que au niveau du corps humain, nous avons des cellules qui nous protègent, notamment les leucocytes, donc, donc qui, défendent l'organisme contre les agressions extérieures. Et il y a des gènes étrangers. où ça a dit que, en tout cas, chaque, chaque être humain vient au monde avec un gène qu'on appelle le carine. Donc, il y a des gens qui étaient testent l'impact avec ce gène-là et qui lui font des offrandes, des sacrifices. Et ce gène-là, en tout cas, il joue le rôle n'est-ce pas, euh, euh, donc de leucocytes au niveau de l'individu. Et par contre, le mandat, donc un, donc un, agresseur qui est étranger, lui, il joue donc le rôle, n'est-ce pas, d'un agent pathogène, donc d'un agent xénobiotique. Alors, dans ce cas de figure, donc vous allez voir donc, au niveau de l'école, n'est-ce pas, lorsqu'une fille tombe en transe, maintenant, euh, une autre fille qui a un gène de famille, ce gène réagit automatiquement et donne l'alerte. Et cette alerte, c'est quoi C'est pour protéger donc cette victime-là et elle va se mettre en transe. Elle va donc en tout cas émettre des cris. Et souvent, vous allez voir même que donc, la fille, en tout cas, donc, elle va même évoquer certains noms. N'est-ce pas Bon, il y a tous ces cas de figure. Donc, il y a, donc, c'est-à-dire l'ontosystème. Il y a aussi le microsystème. Tout à l'heure, donc, le professeur, en tout cas, évoquait donc, un aspect extrêmement important, la question de l'école. Parce que l'école, souvent, en tout cas, on construit des écoles, souvent, sur des sites, euh, sur des sites qui ne sont pas, donc, en tout cas, très bien étudiés. Donc, en tout cas, dans le cadre de ma recherche, on a parlé des sites de génie. Parce que vous savez, dans nos traductions, souvent on dit que quand on veut construire une maison ou une école, souvent ce sont donc des champs qui sont lotis. Donc il n'y a pas des incantations. Et Oussaz, en tout cas, à dire que il n'y a pas euh, donc des lettres du Coran, n'est-ce pas Et on vient construire l'école et on met les jeunes adolescentes. Donc il y a, le, donc, le, il y a le microsystème lui-même, l'école. Et le l'école, vous savez, en tout cas, du point de vue rationnel aussi, aujourd'hui nous avons des difficultés. Tout à l'heure, en tout cas, on a eu à le dire. Pourquoi, de par le passé, il n'y a pas eu au, Niger Du simple fait que, donc, dans le temps, donc, l'État met tous les moyens nécessaires au niveau des écoles. Mais les dernières années, là, vous allez voir qu'en tout cas, au niveau des écoles, d'abord, nous avons des classes pléthoriques. Des classes pléthoriques et souvent en paillotes. Dans les écoles, il n'y a pas assez d'infrastructures. N'est-ce pas Ça, c'est en tout cas rationnellement. Et il n'y a pas d'aération. Parce que dans le cadre de l'enquête que j'ai eu à mener, il y a des filles qui vont vous dire que non, non, c'est juste en tout cas, elles ont senti une odeur suffocante l'odeur souvent des parfums ou euh, des produits cosmétiques que les filles, en tout cas, euh, euh, donc mettent sur leur corps, n'est-ce pas Ou bien même l'odeur, en tout cas, qui se dégage des tresses. Donc souvent, tu as dit, c'est donc ces de circonstances malheureuses qui font que, donc, en tout cas, la vie, n'est-ce pas, est étouffée et elle peut, en tout cas, émettre, donc un cri et elle peut tomber facilement donc, en classe. Donc, il y a le microsystème. Il y a aussi le microsystème familial. Parce que vous avez donc, il y a des filles qui sont prédisposées à la possession, donc à travers les conditions de vie aussi dans les familles. Et maintenant, lorsque, en tout cas, ces prédispositions familiales se combinent aux facteurs favorisants de l'école, notamment donc la pléthore des élèves dans les classes, la pression scolaire, parce qu'il faut le dire aussi, je parle sous le contrôle du proviseur qui est là. Ces dernières années, en tout cas, nous avons le problème de la pression scolaire. Il y a même des moments où on ne fait, même pas de composition. On fait donc des devoirs continus. Donc il y a cette pression scolaire, cest à aussi qui est sur les, donc sur les, élèves et surtout chez les femmes. Donc ça crée cette en tout cas euh, situation émotionnelle et qui peut pousser donc vraiment en tout cas euh, à ce genre de possession. Et nous avons en tout cas vraiment la survenue de ce syndrome euh, psychogène. Il y a aussi un autre syndrome, le syndrome de l'environnement malpropre. Donc là, c'est du point de vue rationnel Donc ça a été évoqué aussi par les acteurs. Et tout à l'heure, en tout cas, Oustaza a dit que il y a des filles qui peuvent donc rentrer dans les douches euh, sans faire des invocations au niveau des écoles et même dans les classes, souvent, en tout cas, à travers euh, euh, certains comportements malsains. La tenue vestimentaire qui sont indécentes, n'est-ce pas Souvent, ça entraîne effectivement ce forme de génie Bon, j'aimerais aussi donc relever un, donc un autre aspect. Vous avez dit que, en tout cas, eh bon, c'est rare de trouver les formes de génie dans les Bon, au contraire, dans le cadre de la recherche que nous avons en tout cas eu à mener, il y a des écoles coraniques aussi qui ont connu ce problème. Bon, souvent, ça peut être donc lié aussi donc à l'environnement, donc à ces facteurs que je viens de citer. Bon, euh, la sémantique, vous savez, génie chatter donc ça découle de la combinaison de deux, de deux mots, le mot génie et le mot tchatcher. Le mot tchatcher, donc il découle euh, de la sémantique scolaire. Donc les, garçons draguent les filles, les tchatches les filles dans le collège, surtout en tout cas euh, les jeunes adolescentes. Il a eu donc à parler, n'est-ce pas, des élèves du niveau 5, 6e, 5e, 4e, donc avec la crise de la puberté. Lorsque donc il y a eu les premières manifestations au Niger, donc Lorsque donc la fille s'est mise dans des convulsions, euh, les hurlements, n'est-ce pas Donc on pense que, euh, que c'est un jeune qui est là, un jeune garçon, donc un jeune garçon qui est là, qui possède la fille et qui chevauche en tout cas la victime et en ayant des relations sexuelles avec elle. Et c'est le même nom au Niger partout au, Niger, effectivement, comme ça a commencé, en tout cas, comme je l'ai dit, dans les régions de l'Ouest. Donc, c'est là-bas que le terme, en tout cas, vraiment est apparu. Euh, cette situation-là, ce n'est pas seulement au Niger. Certaines donc, les écoles des pays africains ont connu ce problème, notamment au Cameroun, au Sénégal et au Burkina Faso. au niveau du Sénégal, on considère que c'est plutôt euh, une jeune femelle qu'on appelle Jinna Memouna. Monsieur le proviseur, quelle est la période pendant laquelle euh, le phénomène est plus courant C'est pendant la période euh, short, c'est-à-dire mm, depuis mars jusqu'en avril. C'est en ce moment-là qu'il se manifeste le plus. Et c'est là où j'allais épouser l'idée de M. Abdelmajid en tant que spécialiste, en tant que technicien, point de vue scientifique, que l'environnement peut provoquer cela. L'exiguïté de nos classes peut provoquer cela. Et la pléthore des élèves aussi peut provoquer cela. L'insalubrité même de nos classes peut provoquer cela. Surtout aujourd'hui avec le nombre dominant des filles parce que dans les villes, nous avons beaucoup plus de filles dans nos classes que des garçons. Par exemple, quand vous prenez le cas du CS Carcar, nous avons plus de 54% euh, de nos élèves sont des filles. Et surtout dans les petites classes, c'est là où il y a beaucoup plus de concentration de filles. Quand vous prenez même l'homme mature, très âgé, physiologiquement, il y a certaines pressions qui sont sur nous, peut-être qui nous poussent à avoir certaines réactions beaucoup plus inconscientes, non contrôlées. Sinon, en période froide, ou bien si la pluie commence à tomber, nous ne connaissons pas ce genre de, choses. Et j'allais un peu appuyer ce que M. Abdelmajid a dit par rapport à la réaction d'un jean qui sent une attaque par rapport à peut-être la personne qu'il possède ou qu'il protège. Et le plus souvent, vous allez voir que quand une se manifeste, une autre, tout de suite se manifeste et elles se font la bagarre entre, entre elles. Et il y a aussi les cas contraire, Quand une se manifeste, il y a une autre qui va tout de suite se déclencher pour venir la calmer, la protéger, empêcher à ce qu'on la touche. Et c'est la seule là qui vient la calmer à l'école. Docteur Sanab Majid, vous êtes un religieux musulman. Pourquoi la logique surnaturelle accordée pour la plupart des cas à ce phénomène Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas d'avis pour parler ici à 100% de logique surnaturelle. C'est des choses qui, qui, peuvent être expliquées donc à partir de la loi de la nature. Donc euh, c'est des choses qu'on peut, qui ne sont pas hors de la raison. Pourquoi Parce que non seulement euh, les gènes existent, et nous sommes tenus de croire à l'existence des gènes, même s'ils sont invisibles. Deuxièmement, souvent l'homme celui qui cherche assistance donc auprès des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran min insi ya'uzuna Donc il y a certains hommes parmi les mâles, parmi les humains qui cherchent assistance auprès donc des djinns. Bon, quand on parle de la science, donc je, rejoins le frère Abdelmajid qui dit, qui dit qu'il y a ce qu'on, ce qu'on appelle les génies de la famille, n'est-ce pas Donc quand on revient, les génies de la famille là qu'on trouve à l'ouest ou bien je sais pas à l'est, souvent ils sont là pour protéger donc les membres de la, de la famille. Souvent on, fait, euh, on cherche leur assistance donc pour chercher protection en cas de, de, besoin. Donc lui, les, les jeunes, euh, religieusement, on explique que quand il cherche assistance auprès de lui, donc il va te poser des exigences. il va, il va essayer aussi de, de t'assister donc à tout moment, comme il l'a expliqué. Il va essayer d'imposer donc lui aussi, c'est lois. Il peut aussi attaquer la personne. Une autre question, est-ce que mhm. la désacralisation des sites peut être perçue comme une des causes qui attire donc euh, des ennuis aux humains Bon, je pense oui. il y a ceux qui partent, ceux qui cherchent des marabouts pour lire le Coran au niveau de, l'établissement. Certes, ça peut euh, faire fuir les, génies, mais c'est temporaire. Si on ne fait pas ça, donc ça veut dire que le génie est là, il va toujours s'en prendre aux élèves. Le génie, lui, c'est quelqu'un qui s'enfuit, qui fuit dès qu'on lit le Coran. Hmm. C'est pourquoi on demande toujours dans la maison de mettre euh, sur euh, votre portable Surat al-Baqarah. Hmm. Donc, le fait de lire, d'amener les Marocains pour lire le Coran, c'est éphémère. Certes, il faut protéger les liens avec la lecture du Coran, mais c'est surtout l'être humain lui-même, c'est son comportement mm. qui doit être mis en valeur pour limiter, pas seulement les lieux. Abdelmajid, euh, même question pour vous. Est-ce que la désacralisation des sites peut être une des causes qui attire les ennemis aux humains Oui, euh, parce que effectivement, les djinns, comme on les appelle, donc les incubes et les succubes, qui sont donc de deux sexes, c'est des créatures au même titre que les humains et qui ont besoin d'un espace et le genou aussi, effectivement, fait partie de l'environnement humain. Et il entretient des relations avec l'être humain aussi. Donc, le plus souvent, cette relation, en tout cas, elle peut être une relation d'agressivité ou bien une relation de familiarité. Donc, euh, euh, dans les régions où, en tout cas, donc, on fait le culte de possession, donc, le lien entre euh, l'espace sacralisé, n'est-ce pas, et l'être humain est accompagné par des rites. Parce que l'être humain n'a pas le droit donc d'intervenir dans un espace sans pour autant en tout cas faire des offrandes, n'est-ce pas Donc c'est-à-dire aux djinns qui habitent ce lieu et qui sont maîtres de ce lieu. Donc dans une telle philosophie, on pense que les gènes a préexisté avant l'être humain. Donc il est maître de l'espace. Et l'espace étant sacré, donc maintenant en tout cas pour que donc, euh, euh, donc l'être humain donc humanise l'espace dont il a besoin pour faire donc ses activités de survie, donc il faut qu'il fasse des offrandes, n'est-ce pas, à ces maîtres de lieu-là. Donc euh, finalement, euh, donc c'est pourquoi vous allez voir souvent, donc aujourd'hui avec la modernité, donc euh, les pratiques culturelles de ce genre en tout cas ont tendance à disparaître. Et vous allez voir que donc en tout cas lorsque l'espace sacré donc est utilisé sans pour autant en tout cas passer par ces conditionnalités que je viens de citer, donc ça peut donc attirer des ennuis à l'être humain. Donc d'où la question de la désacralisation de cette sacrés. Je pense qu'en tout cas, même ici à Zander, vous allez voir donc à certains moments donné dans le temps, il y a des lieux qu'on considère comme étant hantés. Monsieur le proviseur, quelles sont les opinions développées autour de la maladie dans les milieux scolaires Et ce que j'allais ajouter, la thèse ou l'hypothèse de, la violation ou bien de l'occupation des lieux possédés par les djinns, si ça n'est tel, ce phénomène-là va se, va se produire même pendant la saison froide et même pendant la saison pluvieuse. Donc, il n'y aura pas un moment précis pour cela. Maintenant, la vision ou bien la perception de ces phénomènes-là par la population, le plus souvent, hein, c'est lié à nos traditions et à nos religions. Et rarement, et vous allez voir des personnes développer la thèse scientifique. Le plus souvent, il y a certains qui développaient que ce sont des personnes X qui ne veulent pas que leurs enfants étudient, deviennent intelligents, deviennent des personnalités qui jettent des sorts sur leurs enfants pour les empêcher euh, d'étudier. Parce qu'il y a des cas où ils, ne se manifestent qu'à l'école. Dès que l'élève vient, le plus souvent l'élève fille, dès que l'élève vient, surtout pendant les compositions, il se déclenche et la fille n'arrive même pas à composer. Et ça, on, l'a vu même pendant les examens. On a détecté certaines filles qui sont même payées par leurs camarades. Quand on programme un devoir, on les paye pour, pour que ce devoir n'ait pas lieu. Maintenant, dès qu'on commence le devoir, il y a une qui va se mettre à pousser un cri. Et dès qu'elle pousse le cri, c'est fini. Ou bien dès que le professeur porte l'épreuve au tableau qui leur paraît difficile, tout de suite, leur stratagème pour éviter ces devoirs-là, c'est de, pousser un cri, de menacer même le professeur. Vous allez voir l'élève qui va aller prendre le, professeur, le, le, prendre. Y a-t-il des cas où il s'attaque au professeur, les élèves Il y a des cas où il s'attaquent au professeur. Plusieurs quand même surtout les professeurs femmes. Une autre question, quelles sont les conséquences de cette crise-là sur euh, le plan scolaire Les conséquences, comme vous venez de le dire, la première, c'est celle, c'est l'impact négatif sur le temps scolaire. Parce que ça, ça vraiment, ça, ça sur le temps prévu. Et ça met en retard d'autres classes par rapport à d'autres. Et aussi, c'est un facteur d'exclusion. Même avant-hier, j'ai difficilement régler les cas d'une fille qui permanemment tombe suite au génie C'est une fille intelligente. C'est une fille intelligente. Et malheureusement, elle a des difficultés pour composer ou faire faire ce, cours, ce qui fait que eh, elle risque de perdre sa scolarité. Et il y en a plusieurs même qui quittent parce que leur marabout ou leur charlatan leur disent il faut obligatoirement les enlever de l'école si vous voulez que vos filles guérissent. Et certains croient à ça malheureusement les élèves. lever ou transférer Non, même pas transférer. On les élève carrément de l'école. Et pour ce qui est toujours des conséquences, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a des élèves qui se blessent. Même eh, en 2019-2020, nous avons eu le cas d'une élève qui, qui s'est fracturé la cuisse. Et elle, ce n'est même pas elle en qui le génie chasseur s'est manifesté, c'est une qui la poursuivait. Et elle, en courant, elle est tombée. Et en tombant, elle a cassé la cuisse. On, fait très attention avec le phénomène des classes à hauteur. Et il va falloir parfois qu'on fasse des tours pour cibler, demander s'il y a des filles qui ont des génitateurs pour leur éviter les classes en hauteur. Vous n'êtes pas seul de savoir que les filles là qui ont des génitateurs, les vrais, hein, même nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas les maîtriser. Dernière question, le religieux docteur Sani Abdelmajid quelles solutions envisager pour réduire, voire éradiquer le phénomène de génie dans les écoles, notamment ici à Zaner euh, Merci beaucoup, mais permettez-moi peut-être euh, pour parler de lui. Certes, Allah a créé les gènes avant les humains, mais Allah a donné l'environnement aux humains, pas aux, génies. Quand vous voyez un génie, un jeune fréquenter un lieu, c'est le lieu donc abandonné par l'être humain ou bien dans, la forêt où l'être humain n'agit pas. Mais tant que l'être humain agit, donc les génies cherchent un autre lieu normalement. Et pour revenir à votre question, il n'y a pas comme le Coran d'abord. C'est la lecture du Coran. Deuxièmement, c'est les invocations donc euh, quotidiennes que nous connaissons. Mais dès que vous laissez ces invocations, en quittant la maison, vous serez accompagné par un génie. En rentrant, vous allez faire entrer un génie chez vous en mangeant, le prophète nous a recommandé de dire Bismillah avant de manger, sinon vous allez manger avec, euh, avec les, les, génies. Il faut aussi respecter la loi d'Allah et éviter les, les, péchés. Donc il y a beaucoup vraiment de solutions qu'on peut tirer. Et ici, je profite, de là comme c'est la dernière question, pour dire vraiment, pour appeler certains gens qui ont pris la rukya comme une fonction. Vraiment, ça n'a jamais été une fonction au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout celui qui lit la ilaha illallah wa la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in. 100 fois, il sera protégé. Les soirs aussi, la même chose. 100 fois, il, faut, il sera protégé. Monsieur, monsieur le proviseur, quelles euh, quelle solution envisager pour réduire, voire éradiquer le phénomène de génie dans les écoles, notamment ici à Zender? La première solution à laquelle tout le monde passe, c'est la solution religieuse, c'est-à-dire faire venir des marabouts, faire de l'aumône. Mais comme l'avait bien dit euh, Dr Abdel la solution religieuse, elle est éphémère. Parce que dans un établissement scolaire, ne serait-ce qu'un franco-arabe, on ne peut pas pendant toute l'éternité se mettre à l'ordre le Coran. Et le plus souvent, nous, les solutions dont nous adoptons, nous demandons aux familles des filles de les retenir à la maison pendant deux jours, trois jours, pour que le phénomène se calme, pour que les familles prennent des dispositions, n'importe lesquelles, selon leur religion, selon leur tradition, selon ce qu'elles pensent. Nous, le plus important est que ces filles nous reviennent au moins pour qu'elles ne puissent pas reprendre. Parfois, comme solution, entre mars et avril, nous faisions le tour des classes avec les surveillants pour faire un recensement des filles qui avaient les génies tchatchers. Parce qu'il y a des filles qu'on connaissait qui, qui avaient les génies tchatchers. Il y a toujours, comme il vient de dire, il y a l'élément primaire. C'est-à-dire que ça déclenche, elle, c'est les autres. Maintenant, on cherche à cibler les primaires là. Si on cible les primaires, on joue sur, sur elles, ça diminue l'effet de contamination. Et le plus souvent, quand on connaît la classe le plus souvent, les professeurs sont sensibilisés, les élèves sont sensibilisés. Même les camarades de table de ces genres de filles-là, quand elles sentent que ça va venir, elles courent vite pour nous avertir et très rapidement, on isole le cas primaire pour l'enlever hors de l'établissement, très rapidement l'amener chez lui. Et ça réduit, ça réduit beaucoup les cas. Il y a une solution radicale, malheureusement, que nous appliquons, mais juste c'est pour faire peur le plus souvent à des filles qui font le faux génie parce qu'il y a beaucoup qui font les faux Tchatcher. On les paie pour les faire, je viens de le dire. Et parfois, on fait une menace disant que toute celle qu'on prend qui fait Gianni Tchatcher est exclue. Et maintenant, ça, ça nous permet de contrôler un peu la situation, même si en réalité, on ne les excluait pas. Mais quand elles voient, on dit Ah, celle-là, là, vous rentrez chez vous, vous êtes exclu à partir d'aujourd'hui, on arrive à souffler un peu. Mais maintenant, même s'il y a manifestation, c'est très rare. Et les cas de ces manifestations la rares, normalement, ce sont les vrais. Mais tout de même, on ne peut pas avoir une solution à 100%. Mais après un bon diagnostic, on peut dire, on peut arriver bien entendu au bout du phénomène quand on sait qu'on a parlé tout à l'heure de l'exiguïté. Aujourd'hui, si on résout peut-être ce problème, vous, ne pensez-vous pas que ça peut être une solution En tout cas, eh, vient de l'évoquer et moi je suis d'avis avec lui. Parce que quand nous-mêmes, on se posait la question pourquoi en notre temps, il n'existait pas, j'allais donner la réponse que c'est parce qu'en notre temps, très rarement, nous sommes 30, 40 dans une classe. Parce qu'en notre temps, il n'existait pas de classe en boîte. Parce qu'en notre temps, nous avons des classes qui répondent aux normes. Parce qu'en notre temps, dans nos établissements, il y a des manœuvres, il y a du tout, qui, il y a la propriété, il y a vraiment les conditions normales de vie qui peut-être ne favorisent pas cela. Dernière question également pour vous, Abdelmajid. Quelles solutions envisager pour réduire, voire éradiquer le phénomène de génie dans les écoles, notamment ici à Zender donc il y a ce diagnostic, en tout cas dont elle a eu à le dire, d'agir en tout cas sur euh, les problèmes que nous avons euh, donc eu à identifier. Donc notamment les problèmes euh, de ratio, donc les problèmes d'infrastructure et autres. Donc le plus souvent, donc quand donc par rapport en tout cas aux urgences. Donc nous avons vu que donc au niveau des écoles, lorsque donc les cas se manifestent, donc il faut en tout cas isoler les victimes primaires. Parce que vous allez voir que donc, les filles curieuses qui sont prédisposées au génie chatter, dès qu'elles viennent en tout cas donc, entourer une victime, et parmi elles en tout cas il y aura d'autres cas qui vont se euh, qui vont exploser. Donc il y a aussi euh, donc, un autre aspect, n'est-ce pas, euh, qui est très efficace aussi, qui est, utilisé dans les, écoles, que nous avons vu, notamment donc les lectures enregistrées du Coran dans les appareils. Nous avons donc dans les écoles, souvent c'est même les élèves eux-mêmes qui apposent donc, les enregistrements sonores des lecteurs du Coran dans leurs appareils, sur les oreilles des victimes. Et vous allez voir que donc quelques instants après, donc en tout cas, la victime donc retrouver sa conscience et se relever. Il y a aussi euh, euh, ceux qui utilisent euh, le parfum donc musc, le parfum musc, le musc rouge. dont en tout cas, les gens appliquent donc un peu donc la bombe sur les narines donc de la victime donc en aspirant l'odeur, donc en tout cas vraiment, donc ça a pu en tout cas agir aussi euh, sur euh, donc la conscience et ça a pu en tout cas vraiment exorciser euh, donc le gène. Bon, vraiment, je pense que maintenant par rapport aux solutions durables, hein, ça, je pense donc qu'il faut donc agir, n'est-ce pas, sur les conditions d'études donc il faut en tout cas donc vraiment euh, qu'il y ait donc des classes euh, qui répondent aux normes comme il l'a dit. Mais comme je l'ai dit, hein, les solutions ne concernent pas seulement les écoles. Peut-être le problème, le génie chercheur se manifeste dans les écoles, mais il se peut que donc il y ait aussi des prédispositions familiales. Donc là aussi, en tout cas, ça concerne également les familles. C'est pourquoi donc j'ai dit que donc c'est l'analyse de ce problème-là, ça concerne en tout cas pratiquement tous les acteurs. Donc les parents d'élèves aussi, en tout cas, doivent faire le de, de leur mieux dans les familles et surtout cultiver, euh, n'est-ce pas, euh, le mérite. On parle souvent de la sorcellerie dans les écoles, la sorcellerie. Donc il y a des parents d'élèves, par exemple, qui peuvent utiliser donc la sorcellerie, en tout cas, pour nuire à des élèves qui sont plus brillants que leurs enfants. Donc il y a le sihir qui est en tout cas couramment utilisé en tout cas dans notre dans notre contexte culturel. Donc moi je pense que donc à ce niveau la solution qui est envisagée en tout cas par euh, docteur Dr Abdelmajid en tout cas elle est la plus efficace, c'est-à-dire vraiment euh, massifier donc les lectures du Coran, les versets qui sont en tout cas utilisés pour, donc pour lutter contre le sihir, n'est-ce pas Et surtout au niveau des écoles, en tout cas, vraiment assurer la propriété. La propriété, est extrêmement importante donc, au niveau des écoles. Voilà, merci M. Euh, Monsieur Abdelmajid. Nous en venons à la fin de cette émission. Nous avions discuté sur le thème crise d'hystérie des adolescentes en milieu scolaire, explication et perception des populations. On peut retenir que le phénomène de génitature a commencé en 2004 à l'ouest du Niger. Il a plusieurs origines et plusieurs explications tant scientifiques que religieuses. Ce phénomène découle d'une forte émotion. Il peut aussi être l'emprise des génies. L'environnement d'étude, marqué par l'exiguïté et l'insalubrité peut être une des causes du phénomène. Les filles de la sixième à la quatrième sont les plus touchées. Plusieurs conséquences découlent du phénomène. On peut citer la perte du temps scolaire, la déperdition scolaire, les blessures, etc. Plusieurs solutions peuvent être envisagées, telles les écrits dans les écoles et à la maison, la désacralisation du site, l'aumône, la bonne tenue, des petits congés donc aux filles les plus touchées, des menaces d'exclusion à ces filles et prévoir des classes donc euh, qui respectent le ratio il faut également de temps en temps isoler les victimes. Il y a également l'utilisation des parfums qui est cité comme solution. Nous étions avec euh, M. Housseini Abdelmajid, doctorant en sociologie de la santé à l'université Ouaga 1, Burkina Faso, Dr Sani Abdelmajid, religieux musulman, M. Seydou Hassan, proviseur du CES Karkada de Zander. Nous avions également invité un religieux chrétien. Malheureusement, il n'a pas répondu à notre invitation. Il aurait dû nous édifier par son expérience. Je suis Mustafa Mamansani, correspondant du studio Kalangu à pour l'animation. Merci et au revoir.